joxe na li mu a joxe def li mu war a def fédération bi même chose peuple bi buñ ko fàttee peuple bi joxe nañu lépp yuuxu nañu jënd nañu mayo peinture tali yi ñii xam nañ si am nañu si feebar am nañu si ñàkk sax seen bakkan lépp peuple bi moo tax peuple Sénégal bi nañu continuer jublu si lii rek léppay baax incha allah parce que peuple bi aussi victoire bi buñ ko bu ko kenn faté ñom ñoko ko mën. ñoo ko moom ñoo ko moom rek. Augustin Senghor def na bi discours bu historique Kalidou Koulibaly def discours historique xamna président de la république discours historique bi nga xamni mom la yebee won jour yi bañuy dem tay discours historique la fi def te lolu lu leer la lu wóor la du yàgg daañu déglu président de la république son excellence Macky Sall Augustin Senghor wax na ko léegi jik nga ñu ndax nak li nga waroon def yëpp def nga ko tey

Aujourd'hui, je peux vous appeler les lions de la Teranga. Je vous avais confié au moment de la remise du drapeau le conseil de laisser la Teranga au Sénégal et d'être des lions féroces à Yaoundé. En effet, vous avez été féroces devant vos adversaires. Vous voilà sur le toit de l'Afrique par votre combativité, par votre talent, par votre engagement. Vous nous avez rendu la fierté et l'honneur qui marque les grands peuples. Vous avez constaté depuis la demi-finale déjà la mobilisation exceptionnelle du peuple sénégalais uni dans sa diversité autour de nos Lions et de notre équipe nationale de football. Je voudrais vous féliciter et demain, j'aurai l'occasion en vous recevant. Bien sûr, je vous attends au palais ce soir je sais que les Sénégalais vous attendent à la sortie de l'aéroport. Et tout le chemin qui vous mènera au palais, vous pourrez constater la pulsion du peuple. Un peuple debout derrière son équipe nationale, uni, hommes, femmes, jeunes, vieux. C'est tout le peuple qui est venu vous plébisser, mes chers lions mon cher Alioun Sissé, l'entraîneur qui a reçu la plus haute distinction, le plus grand palmarès des entraîneurs sénégalais, qui est de gagner la Coupe d'Afrique des nations de football. Alioun, bravo. Avec tes lions, ces lions qui sont rentrés dans la grande histoire et par la grande porte. Je voudrais donc le remercier pour ce sacre qui a été recherché par tant de générations de footballeurs, de sportifs, de membres d'encadrement. En ce moment précis, je ne peux pas ne pas penser aux grandes figures de notre football. Je ne peux pas ne pas penser à Mawad à Feu Lamine Jack, au doyen Souris, à toutes ces générations qui ont marqué les combats, que ce soit à Caire 86 ou avant à Asmara, bien plus tard à la Coupe du Monde de Séoul et Tokyo 2002 avec la génération de LH Diouf que j'ai vu ici avec vous. Jean-François Bocandé. Jean-François Bocandé, le des grands coachs qui était avec nous, comme le coach des années 2002, celui de la génération des Eladio Fadiga. Bruno Merci, comment ne pas penser à feu Papa Bouba Diop à qui nous avons dédié le musée du football que vous pourrez apprécier à partir du 22 février dans une quinzaine de jours ici à Djamnyadjo. Ce stade qui sera le plus beau de l'Afrique et vous le constaterez grâce à votre talent. Merci donc au coach Alun El Tactico Je l'ai dit, il ne parle pas beaucoup, il ne fait pas de bruit, mais il est efficace et il nous a ramené la Coupe d'Afrique avec son équipe vaillante. Merci pour tous ceux qui sont avec toi, par la force tranquille, par la sérénité imperturbable. Vous avez montré vos qualités de meneur d'homme. Merci également à la Fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor et à toute son équipe du Conseil fédéral. Merci naturellement au ministre des Sports, Matarba, au gouvernement qui a toujours été à vos côtés pour que notre équipe nationale ne puisse plus jamais connaître les déboires qui ont été le lot par le passé. Mais merci surtout au 12e Gainé et à Alec Kaza, ses supporters infatigables partout dans le monde vous ont accompagné. La Cannes, nous le savons, ne l'oublions pas, est une fête avant tout africaine. C'est une fête de la jeunesse, la jeunesse africaine, c'est une fête du football africain. Permettez-moi, ici depuis Dakar, de remercier et de féliciter le président Paul Biya, président de la République du Cameroun, qui n'a ménagé aucun effort pour la bonne organisation de cette Cannes 2022. Je voudrais également, en ce moment précis, féliciter et remercier le président Abdel Fattah al-Sisi, président de la République arabe d'Égypte, et son équipe, l'équipe des pharaons, qui s'est inclinée devant les vaillants lions de la Teranga. L'équipe d'Égypte n'a pas démérité. C'est une grande équipe que vous avez battue. C'est dire combien votre sacre est méritoire et combien nous vous disons merci cher Khalidou Koulibaly, cher Lyon, j'aurais voulu d'ailleurs passer par chacun de vos noms individuellement, mais je sais que le peuple vous attend et il commence à faire nuit. Et vous devez aller à sa rencontre. Demain, je vous recevrai avec toute la République. Au-delà de la République, c'est toute la nation qui sera là demain devant le palais de la République à partir de 16h pour vous dire ce que le Sénégal fera avec vous, pour vous donner une récompense à la mesure de vos efforts et de vos résultats. Gatien Galama, Damgen Bedier, ba jeex indi coupe bi itam Sénégal yépp ndax lii amul kujje amul gouvernement amul opposition peuple bi mon mom ndam li peuple bi ñoy téral lion li mo waral bi may ci suba la woté ministre de l'intérieur ne ko fexe leen ba jot opposition bi ngeen ne président bëgg na ngeen ñëw yéen it bi ndax ci ngén bokk li ma bëggal équipe bi ekipi ngeen bëggal équipe bi te boo leen ne woon fii ma nekk moyen yi ma ci def gëm na ne di ngeen ko def pour ndam li ñëw kon yéen it ñu sant leen bu baax ndax lii mooy Sénégal dafay am jamono yo xam ne mbiru kujje dañ koy teg fële ñu feete ba pare après nag ñu jógaat ñuy takk ngemb yi takkaat ngemb yi ñu demaat ci terrain bi mais loolu warul yàq li nga xam ne moo ñu dajale te li ñu dajale moo ëpp solo mooy Sénégal loolu lañ fi gis tey ma kontaan ci lool loolu nag gone yi ñooñu ko may muy lion yi ndax seen taxawaay seen njàmbaar seen fit seen jom parce que nag coupe bi ku amul jom doo ko indi sa réew jamais ku amul fit ku reyantewul doo ko indi lii moo tax ba di drapeau bi football kay kenn du ko di première équipe de l'Afrique FIFA moo ko wax waaye doyul li des mooy que bi ak xeex bi nga xam ne tax nga def ko ngeen ko match surtout à partir des quarts de finale de demi-finale et hier de la finale face à l'Égypte vous avez dominé tous les matchs. Gatien ngaalama gaynde njaay mbarawàcc bëgg nañu ci peuple bi rendez-vous palais de la république Yen, ak seeni vos familles, ngir Sénégal Tadagalen, leen teral ndax ndam li Mai. fierté ba tax na tey Sénégal ci àdduna bi yëpp moom la ñuy wax parce que moo xew ci jamono kon jërë ngeen jëf yéen Gaynde Njaay jëf Aliou Cissé yow mi nga xam ne yaa leen tàggat yaag sa équipe jëf fédération sénégalaise de football maître Augustin Senghor ak ay nitam waaye nag jërëjëf Matar Ba yow tombe mooy waral ay gas ak sa équipe jërëjëf gouvernement bu Sénégal ak peuple bu Sénégal voilà président voilà Gaynde Ndiaye comme nous ma après communion avec le peuple dañuy jël Yoff bi dans le buntu université Maman, après dem point ministère de l'intérieur pour dem palais. ni mu demee étudiants yi mën nañu xaar population bi mën nañu xaar xam naa nag euh, yoon wi du yomb lool yoon wi du yomb mi ngoog euh, cérémonie bi euh, fii ci nga xam ne moo di aéroport international militaire bu Yoff mel ni nag gaynde yi yegsi nañu coupe bi yegsi na président de la république jot na ko defe naa Omar Ndiaye mën nañu rek ne kon lii moo doon xew fii ci aéroport militaire international du yàgg daañu dellusiwaat ak yéen ak Ibrahima Diédhiou ci biir cortège bi bu ko defee ñu mën a dund en li nga xam ne moo di événement bi ci biir euh, cortège boobu ak caravane boobu à vous Pape Madi Fatoumata Savané